le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h16 minutes. Euh, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Firlengue, Berlingauré, Chirozérine, Magaria, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Pour le forum de ce lundi 30 janvier, nous avons retenu pour vous l'analyse du coordinateur de la ligne verte sur le contentieux qui, le contentieux qui oppose l'État Niger à la société Africard. Cette analyse fait suite aux implications, aux explications données par le secrétaire général du gouvernement. Une autre analyse met sur les questions de sécurité pour faire suite au magazine d'investigation de France 2 qui a inquiété sur les négociations qui ont rendu possible la libération des otages d'Areva d'Arlit. On découvre l'implication de plusieurs réseaux, mais surtout l'utilisation de l'argent pour libérer les otages. Pourquoi euh, l'argent Al-Mokhtar Roumour est consultant sur les questions de sécurité basées en Belgique. Il va nous donner plus d'explications. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB n'est pas content. Les SINASEB accusent le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire de s'acharner contre ces militants en opérant des coupures sur leur salaire pour faire des grèves vous suivrez le secrétaire général du SINASEB, Halidou Monkela, qui nous fera également le point sur le protocole d'accord signé avec le gouvernement en novembre dernier. Oui, l'État du Niger réagi sur le contentieux qu'il oppose avec la société Africard. Le secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara, a, à travers une conférence de presse euh, animée samedi dernier, fait une, mise au point autour des six points qui sont régulièrement évoqués dans cette affaire. Gung Mohamed Dantani s'est entretenu ce matin au téléphone avec euh, euh, Idi Abdou, coordinateur Ligne Verte Niger. Nous l'écoutons. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en réalité, dans le point de presse du secrétaire général, il fait cas du fait que le ministre de l'Intérieur a créer les conditions pour que l'arrêt ou la décision du Conseil d'État soit définitive. Par rapport à ce point, il faut relever que les arrêts du Conseil d'État ne sont pas provisoires, ils ont été toujours définitifs. Ça, c'est un. Deuxièmement, il fait cas qu'on leur a notifié la décision quand le délai imparti était épuisé. Malheureusement, sur ce plan, il faut déplorer cette façon de faire parce qu'en principe, du point de vue judiciaire, le délai court à partir du jour où vous avez pris connaissance de la décision, c'est-à-dire le jour où on vous a notifié la décision. Donc, logiquement, le SGG ne devrait pas dire ce qu'il a dit, dès lors que le délai ne court que le jour où on leur a notifié, on a notifié au gouvernement du Niger la décision. Deuxièmement, ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que apparemment on ne tire pas les leçons de notre pays. Cette société-là, c'est une société vraiment inconnue. Mais bizarrement, elle a fait le nom avec l'État du Niger parce qu'elle, elle dit que l'État du Niger a unilatéralement rompu un contrat n'auront pas un contrat unilatéral. Et le Niger devrait effectivement s'entourer de toutes les compétences de la République du Niger pour ne pas se faire humilier et perdre de l'argent avec une société vraiment à peine connue. Pas du tout bien cela. Parce qu'apparemment, on a perdu le procès chez nous. le Conseil d'État qui a traiter l'affaire et on a perdu. Finalement, maintenant, ce qui nous reste, c'est aller devant la cour de l'UMOA pour demander une révision. L'autre aspect, toujours chez nous, maintenant, c'était une rétractation que le gouvernement du Niger voudrait. Une rétractation, c'est une option. La cour peut rejeter une rétractation. Le Conseil d'État pourrait rejeter. Maintenant, la question qu'on se pose, le SGG parlait de l'inopportunité. Mais là, moi, je suis tombé, en fait, quand il parle de l'inopportunité, alors que c'est la 7e République qui a effectivement octroyé ce contrat. Donc, s'il était inopportun, pourquoi la 7e République a donné ce contrat à cette société Si c'était vraiment inopportun, et si c'était tout ce qu'il a dit, c'est vrai, mais qu'est-ce qui a contraint les autorités de la 7e République à passer ce contrat-là avec cette société Si ils n'étaient pas contraints, ils ne sont pas obligés. Deuxièmement, maintenant, supposons même qu'ils ont passé le contrat et après, comme il dit, c'est tombé dans cette rhétorique de PPPP, partenariat public-privé. Mais il y a une procédure. Pourquoi le gouvernement ne s'est pas entouré de compétences nationales pour aborder le sujet sereinement et faire en sorte que nous agissions en cinq États pour gagner. Pourquoi Et pourquoi le Niger a laissé tout ce temps-là pour qu'on perde le procès chez nous, devant notre juridiction. Et après, on sort pour essayer de faire une explication en réalité qui n'est pas une explication, qui est plus une manipulation. Parce qu'apparemment, euh, on a saisi des biens appartenant à y ayant une implication sur le Niger à Paris. C'est de cela dont il s'agit le procès du 9 février. On ignore New York même, il a parlé de la villa du Niger qui a été saisie, mais il n'a pas dit le sort qui a été réservé. Et finalement, comment un pays qui perd un procès devant ses juridictions peut espérer gagner à l'extérieur Si les éléments dont il parle là, mais il pourrait Effectivement, le ventilé, et même le fait, c'est le Conseil d'État qui a jugé l'affaire. L'État du Niger doit avoir un avocat. L'avocat doit suivre et savoir ce qui se passe. Mais on ne peut pas venir nous dire ça là. En nous disant ça là, nous constatons que finalement, le Niger a perdu des sous à une société inconnue qui n'a aucune envergure en réalité. Et je ne vois même pas pourquoi les autorités de la 7e République ont passé le marché avec ce, ce et que le contrat est inopportun. Finalement, en réalité, il faut revenir et le gouvernement doit comprendre les actes qu'il pose engagent toute la nation. Le peuple nigérien, non seulement il a été humilié, et il perd de l'argent gratuitement comme ça à une société vraiment qui ne valent même pas la peine. Finalement, l'intervention du SGG, c'est plus en fait euh, un un culpa, parce que pratiquement, comme on dit, le vin a été tiré, même si on ne le boit pas, il, ne retournera pas dans la bouteille. Pratiquement, c'est cela. Maintenant, nous avons euh, laissé les choses, nous avons laissé la procédure nous échapper sur notre territoire, devant nos juridictions. Je ne pense pas que l'espoir est permis pour penser gagner le procès à l'extérieur de chez nous. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est même notre État qui fait recours devant cette juridiction sous-régionale pour révision d'un arrêt où on a la latitude et les moyens effectivement de produire nos éléments, si réellement on a des éléments, dans la procédure pour gagner le procès devant nos juridictions. J'ai entendu qu'il disait que, comme si Africa, il dit qu'elle a misé plus sur le juge oui, mais on attend voir. On n'a jamais entendu une sanction quelconque. On n'en a pas entendu. Le ministère de l'Intérieur qui semble bloqué, même si moi je prends ça entre griffes, entre grémés, mais je n'ai jamais entendu une quelconque sanction. Le ministre de l'Intérieur qui avait passé le marché, c'est un ministre de la 7 République. Qu'en est-il de son sort si ce n'était pas opportun et qu'il a et que le Conseil des ministres n'avait pas fait cas de ça selon ses explications. Mais le ministre là, quand est arrivé au ministre Parce que le marché était resté et la preuve, nous payons les pots cassés. L'État du Niger paye les pots cassés. Qu'est-ce qui s'est passé Quel est le sort du ministre qui a passé ce marché-là qui n'est pas opportun Quel est son sort voilà, vous venez de suivre Idi Abdou, coordinateur Ligne Verte, sur le contentieux qui oppose l'État du Niger à la société Africar La suite de cette édition avec la libération des otages d'Arlit contre des sommes importantes d'argent. Une enquête de l'émission de France 2 envoyée spécial euh, diffusée euh, la semaine dernière a fait ressortir en effet que l'argent était au centre de cette libération et a mis en conflit plusieurs réseaux, chacun réclamant euh, de l'autre côté sa cote-part. Pourquoi l'argent a-t-il une si grande importance C'est la question posée aux consultants sur les questions de sécurité basées en, à Bruxelles, en Belgique, Mokhtar Omour, qui répond. L'argent occupe ben, une place euh, très importante parce qu'on parle euh, justement de guerre euh, contre les terroristes, entre guillemets, avec tout ce que ça implique en géopolitique, notamment au Sahel, entre la France, ex-puissance coloniale, et ses colonies au Sahel. ce qu'il faut savoir, c'est que quand on suit l'argent, toutes les rançons qui ont été versées depuis les années 2000 à 2017, donc si vous remontez, ça vous renvoie directement à, au chef d'un sardine, donc il y a le qui a été un négociateur avant tout des services de renseignement occidentaux, notamment français, allemands et algériens, avant de se tourner et de devenir un terroriste recherché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de là, le business des otages occidentaux, notamment la plupart des humanitaires ou des touristes, est devenu très lucratif, Il y a beaucoup, beaucoup d'officines, donc des, euh, agences de renseignement extérieures euh, ou des multinationales qui sont impliquées. Et donc, il y a eu des conflits d'intérêts, notamment, et les documentaires, ce qu'ils euh, démontrent, notamment au niveau de l'Élysée, du Quai d'Orsay et tous et les pays africains. Donc, si tu veux, c'est d'abord un conflit d'intérêts où, par exemple, la Riva verse la rançon. Euh, celle-ci euh, est amenée par un réseau de renseignements français qui lui aussi est rattrapé ou combattu par un autre réseau français ou franco-africain, si vous voulez. Et tout ça pour de l'argent. Et, on l'a vu à la fin du documentaire, le lien établi euh, avec ce conflit d'intérêts, c'est ce qui a occasionné même la mort, il paraît, des journalistes euh, des RFI. Comment vous expliquez ces officines Si on prend le cas du Mali, on prend le cas du Niger. On explique d'abord par le fait que depuis qu'il y a eu l'intervention française, donc ça a démontré quand même la faiblesse de la ou de l'Afrique à se prendre en charge, et notamment le Niger et les Mali à surveiller leurs frontières et à assurer leur sécurité, et notamment à disposer des services de renseignement ou d'experts en matière sécuritaire. Donc ces deux pays ont une carence totale, euh, pour ne pas dire complètement aveugle, sur tout ce qui est renseignement ou contre-espionnage et tout ça. Donc, euh, du coup, ils ont délaissé toutes ces prérogatives-là à, la France donc aux militaires français, renseignements militaire français, aux renseignement civil français, extérieur, tout ça. Donc euh, on le voit avec la prolifération de maisons de sécurité à Bamako et Niamey. Hein. On voit que euh, l'argent, quand il est donné, il n'est pas directement donné à ceux qui le demandent ça passe par tout un réseau et tout le réseau est, est financé. Tout à fait, tout à fait. Les réseaux, l'argent, quand ils quittent, par exemple, si on prend les cartes, l'argent dont on parle dans les documentaires, c'est arrivé vers 30 millions d'euros. Mais 30 millions d'euros arrivent à Ditan et à Bouzeid. Ils sont, on va dire, à peu près... Euh, une vingtaine ou une quinzaine. Donc la moitié a disparu entre les réseaux parallèles, si tu veux, entre euh, les réseaux français qui prend en charge ça avec ces réseaux, qui, emploie, qui va employer bien sûr des Nigériens ou des Maliens qui aussi vont prélever leur part. Et après, il faut contacter d'autres mouvements sur place qui vont aussi prendre leur part. Et le temps que ça arrive au lieu du rendez-vous, au lieu où s'est fait la transaction, entre guillemets, donc euh, déjà on a la moitié, voire les deux tiers de la somme qui a complètement disparu. C'est ça, c'est là à cause des services de renseignement français qui sont clairement pointés du doigt, y compris euh, les décisions politiques qui les animent, donc notamment au niveau du Quai d'Orsay ou de l'Élysée. Nous restons toujours dans nos pays. Euh, je vais le Niger, l'exemple du Mali. Des personnalités de très haut niveau sont impliquées. Est-ce qu'elles aussi sont intéressées par euh, l'argent Je pense pas. Ça, veut dire que les personnalités au Niger et au Mali, ça dépend. Ça dépend de quel réseau à Paris, si tu veux. Ça dépend. Si les réseaux en général à Paris, tous les réseaux vont de Hollande à Yves Le Drian, qui est ministre de la Défense, donc qui est plus euh, dans les services euh, de renseignement militaire. Donc ça dépend de quel réseau. Si ça va ces réseaux-là, il aura, il a, ses réseaux à Bamako et Niamey. Hein. Il va faire bouger tout le monde. Et euh, donc, si tu veux, quelque part, comme je l'ai dit, euh, les personnalités nigériennes ou maliennes ne sont que des exécutants ou des guides ou des facilitateurs, mais ils n'ont aucune, aucune décision ou sorte de pouvoir réel. Quoi. Mais qu'est-ce qu'elle gagne Dans cette affaire, la France emploie tout le monde. Tout le monde est à la disposition, en réalité, des forces Barkhane, de, de, de leurs renseignements. Alors, si tu veux, ils payent, c'est des contrats. Soit ils ont des contacts, donc ils payent leurs contacts ou leurs informateurs ou leurs facilitateurs pour engager, je euh, je sais pas, des chauffeurs, des 4x4, une petite sécurité, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils procèdent. Que toutes ces négociations sont toujours confiées à des groupes privés donc on a une sécurité de moins en moins qui est publique, euh, que c'est surtout des officines privées euh, comme tout le reste, hein, comme l'école privée, comme euh, la fonction publique en Afrique de l'Ouest. Donc de moins en moins de sécurité pour le grand secteur, mais de plus en plus privé, y compris au sein des officines publiques telles que le renseignement français ou nigérien ou malien. Qu'est-ce que vous appelez officine publique Je veux dire euh, tous les services, si tu veux, tous les services publics, voilà, que ce soit les militaires, que ce soit les renseignements tout est privatisé aujourd'hui. Il suffit de regarder Niamey, combien ça prolifère. Euh, toutes ces agences de sécurité, à Bamako pareil, donc en quelque sorte, ça répond à un contexte sécuritaire qui veut que voilà, la région aussi la menace terroriste, donc on va dans les tout sécuritaires. Et donc c'est un JT business, y compris pour les Français. C'est plus des groupes privés aujourd'hui qu'on choisit pour assurer cette sécurité-là mais aussi pour assurer les renseignements et tout le reste. Quand on voit un islamiste d'une certaine trempe réclamer de l'argent, est-ce qu'il défend la cause de l'islam ou bien il cherche de l'argent Ça n'a rien à voir, ça faut arrêter, ça n'a rien de, religieux ni de fait que c'est des mafias, si tu veux, qui se côtoient, c'est des trafiquants, c'est des mafieux qui sont là. Tous ces groupes-là sont tous euh, des narcotrafiquants à la base, donc si tu veux, euh, la religion n'a rien à voir ni... Euh, aucune autre euh, sorte d'idéologie, surtout des trafics euh, et des trafics qui veulent influencer la politique. Donc c'est aussi euh, une manière de revendiquer des soft conduits pour leurs marchandises ou alors une portion du pouvoir, hein, c'est tout. Le, terme islamiste est juste utilisé. Il n'y a rien d'islamique dans tous ces groupes-là. Il, il suffit de voir ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ça n'a rien à voir justement ni avec l'islam, ni avec aucune autre forme de religion. Voilà, l'argent dans la libération des otages, une analyse de Mokhtar Rumour euh, consultant sur les questions de sécurité basées à Bruxelles, en Belgique. C'est à la suite de la libération, à la suite de l'enquête euh, de l'émission Envoi spécial de France D sur la libération des otages d'Arlit contre des sommes importantes d'argent. Niamey a abrité la semaine dernière la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma à LG, Elle a accouché d'une mutualisation des moyens d'intervention pour la création d'une force multinationale de sécurisation dénommée FMS, FMS-LG afin de relever les défis sécuritaires, notamment le terrorisme dans l'espace Liptako-Gourma. Alors, quelle est l'importance de cette force Tanner Foudé Ahmed s'est entretenu avec Diallo Abouakar, président du Conseil des éleveurs Nord-Tilaberi. Cette insécurité qu'on connaît actuellement dans le gourmand, avant c'était vraiment quelques vols de bétail, mais aujourd'hui c'est des groupes armés qui sont créés et qui s'attaquent directement à, l'État. Donc quand on voit la, en 2012 avec la création du MNLA, et MNLA est venu, nous on avait dit aux gens de faire beaucoup attention parce que ça risque de, contaminer euh, nos zones parce que c'est les mêmes familles, c'est les mêmes communautés dans le Sahel. Et dès que c'est une communauté est touchée, parce qu'en réalité, il ne faut pas se le cacher, la base même du MNLA, ce n'était pas un, un mouvement politico-militaire qui luttait pour une lutte politique, c'est un mouvement politico-identitaire il faut qu'on clarifie. En tout cas, nous, nous sommes, de ceux qui pensent que le MNLA est un mouvement identitaire. Monsieur Diallo, avant de revenir sur la question des MNLA et des conflits intercommunautaires, selon vous, quelles seraient les missions de cette euh, force mixte La force a été créée pour faire face à, une, à, des mouvements armés. Ces mouvements armés, c'est des mouvements identitaires. Même si on parle de, on parle de djihadistes, mais ces djihadistes-là, c'est des humains c'est qui C'est des communautés qui sont en face de qui sont avec ces djihadistes-là. Parce que les vrais djihadistes sont venus. Ils sont venus, ils ont trouvé des communautés et ils se sont accrochés à ces communautés. Le Moujao, c'était la même chose. Et Ansardi, c'est la même chose. Le Front de libération du Massina, c'est la même chose. Aujourd'hui, le mouvement de Mala Ibrahim qui est dans le dans, de, de de Burkina, c'est la même chose. Mais c'est des communautés. Et pourquoi, bon sang, ces gens-là, quand ils viennent, quand les djihadistes viennent, ils s'accrochent toujours à ces communautés C'est parce qu'il y a des problèmes communautaires. C'est ça le, la question que les gens refusent, que nos autorités refusent de poser. Il y a un problème communautaire dans ces zones qui fait que tout celui qui vient peut facilement récupérer les communautés et les utiliser à leur guise. C'est là où tout est parti de là. Dès que le MNLA a été créé, le Nord Tilabéry a été touché par des miliciens que nous, nous avons désarmés en 2011, qu'on devrait s'en occuper. L'État a laissé c'est les jeunes qui sont partis, ceux qui euh, rejoignent les groupes armés. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train d'attaquer Walambani, Bongo, Ça, il ne faut pas se le cacher. Ça a fait une répercussion jusque dans le centre du Mali qui n'a jamais été touché avec les trois guerres du Mali. Et le Massina a pris feu Aujourd'hui, c'est des peuls qui ont pris les armes au dans le Ici, ce qui se passe dans le gourmand, c'est des peuls, parce que Mala Ibrahim, c'est un peul, il considère des djihadistes. Mais pourquoi les djihadistes viennent, ils trouvent une C'est parce qu'il y a des problèmes communautaires. Parce que ces communautés ont des difficultés avec des États. Des fois, ils ont des difficultés entre eux-mêmes, les problèmes intercommunautaires. C'est ce qui est à la base de toute cette, de cette insécurité qui s'est créée dans le Sahel. Donc voilà pourquoi nous, nous avons voulu, avant de créer ces forces, que nos États pensent d'abord aux vraies causes faire des analyses, mettre, faire des conférences pour savoir pourquoi, quand toutes ces, ces, communautés sont en train de prendre les armes. Ce n'est pas pour dire que nous, nous voulons le pouvoir, mais c'est pour dire que, quelque part, peut-être, il y a un manque de développement. Si c'est la question du Coran, même ça, ça peut se discuter parce que nous avons des cas de leaders, euh, religieux qui peuvent discuter face à face avec ces gens-là pour dire que si c'est le Coran, voilà ce que le Coran a dit. Si c'est le cas de développement, il y a tous ces facteurs-là, les gens n'en parlent pas. On prend, on dit, il faut faire des forces. D'accord, les forces vont aller. Mais avec quel résultat Moi, je suis sceptique. Parce qu'aujourd'hui, dans le Sahel, il y a combien de forces vous avez Barkhane, vous avez MINUSMA, vous avez déjà, entre le Niger et le Mali, il y a le droit de poursuite, ça a existé depuis autant de Kunti. Aujourd'hui, de l'autre côté, on a créé de, forces Niger-Mali eh ben, pour combattre Boko Haram. Maintenant, on veut créer une autre force, mais ces forces-là sont, sont budgétivores. Mais est-ce que nos États aujourd'hui ont les moyens d'entretenir des forces un peu partout C'est la question aussi qu'il faut se poser, pas seulement les forces. Aujourd'hui, on a des difficultés pour payer même des salaires. Et on sait les raisons que c'est cette insécurité qui est à la base de tous les problèmes de manque de, qui, est là, parce qu'il il, englobe tout. Donc, on crée un fort. Et le mal, encore là où le bas blesse dans ces, dans ces problématiques, c'est que eh, la communauté qui est indexée, parce qu'aujourd'hui on parle de gourmand, vous voulez de gourmand, on va le faire. Le, les, ceux qui ont pris les armes, c'est dans le gourmand, c'est le, mal Ibrahim qui est de Djibo de l'autre que vous avez eh, le front de libération du Massina. Et c'est nous, les jeunes peuples qui sont le long de la frontière Niger-Mali et niger Boutina. Et nos armées vont aller, ils vont combattre ces gens-là, mais c'est que d'un côté, les coupables, les innocents vont rejoindre la même tombe. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'aujourd'hui, ces communautés qui tirent, qui tirent sur l'État, leurs communautés seront considérées comme des ennemis ils seront contre tout celui qu'on voit. Dès qu'on voit un peuple, il n'y a, plus de il y a plus de confiance entre ces peuples-là et l'administration et nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le nord c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le lit Il n'y a plus de distinction. C'est-à-dire que les communautés auront des difficultés à vivre avec, avec, avec leur autorité. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Et ceux qui posent, même ceux qui ne sont pas d'accord avec ces djihadistes ou avec ces, mouvements armés, de les rejoindre. Parce que tu n'es plus en sécurité en ville, tu es obligé. La dernière fois, quand il y a eu les événements de Bani c'est des innocents qu'on a pris, on les a tabassés, on il, y a eu, il y a eu des morts, on a tiré sur des gens, des gens qui n'ont rien à voir, et pourtant on les a pris. Je vous assure, aujourd'hui, des villages ont quitté la zone. Parce que par peur, dès qu'on voit une communauté, un membre de la communauté, on dit c'est un membre du jadis, il est venu s'inquiéter. Donc voilà pourquoi nous, les forces, là nous fait peur. Et deuxièmement, encore la question, euh, comment on appelle c'est des zones d'élevage. Vous avez parlé de, de ces communautés-là. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ces communautés-là aujourd'hui qui ont pris les armes, qu'est-ce qu'ils réclament concrètement dans cette zone-là Bon, écoute, moi je ne peux pas savoir ce qu'ils réclament parce que je ne suis pas dans ces mouvements. On les a vus, nous, on est des structures associatives. D'habitude, on dit que le problème, il y a des problèmes parce que le, le, le, développement à la base ne suit pas. Aujourd'hui, ces zones il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a rien de tout temps. C'était notre combat que nous avons eu à faire. Maintenant, vous avez d'autres formes de lutte qui sont là. Le, euh, on dit c'est des djihadistes. Mais derrière ces djihadistes, c'est des êtres humains qui sont là, qui en dehors le fibre djihadiste, c'est des choses qui cachent beaucoup de choses, puisque vous avez des communautés. D'abord, les problème intercommunautaires, est là entre les communautés, ça ne va pas. Il faut pas. Le... Aujourd'hui, le Mali, qu'est-ce que l'État du Mali a trouvé dans la question du Massina On a créé des groupes d'autodéfense, Bozo et puis Bambara. Donc, il faut plus qu'on nous parle de djihadistes. vous voyez des groupes identitaires, des milices identitaires. cest que de l'autre côté, même si vous les caricaturez en, groupe d'auto, en milice, en, comment on appelle ça, en que vous avez créé à côté des groupes défense identitaire. Donc euh, le problème il est plutôt euh, intercommunautaire que jihadiste. Le vrai problème du Sahel, il faut le dire. Le MNLA, c'est des Touaregs qui ont pris les armes, ils sont venus, il y a le MMA, tous ceux qui ensuite, tous ces groupes qui sont au Mali aujourd'hui, c'est des groupes identitaires. Aujourd'hui dans le Massina, c'est des groupes identitaires. Dans le euh, dans le bassin du du, du, Djibo, c'est des groupes identitaires. Dans le Nord Tilabé, c'est des groupes, c'est pas des groupes politico-militaires. Mais pourquoi ne pas poser le vrai problème Mais quand vous refusez vous allez créer les conditions pour que ces problèmes ne finissent jamais. Et à qui ça profite ça va profiter aux forces, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, les forces qu'on va créer, c'est de l'argent qu'on va mettre de, machin. Et les forces étrangères vont venir. Aujourd'hui, la preuve, la France est là, Barkhane est là, tout ce beau monde sont là. Mais n'empêche, les situations continuent. Euh, c'est vrai, M. Diallo, il y a déjà une force qui est là, la force du G5 Sahel, qui regroupe euh, cinq euh, pays du Sahel. Mais pourquoi, selon vous, encore une force mixte du Liptako va s'ajouter à cette force qui est déjà là C'est parce que les gens refusent de poser le vrai problème. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis de la zone. Et quand je vous parle de ça, ce n'est pas un blanc qui va venir de Paris ou quand même un militaire qui est ici à Niamey qui quitte, qui va aller, qui n'a jamais, qui n'est pas de sa zone, c'est pas sa zone, parce que toutes les forces qu'on amène, ils ne sont pas de la zone. Voilà, vous venez de suivre euh, Diallo Aboubakar, président du Conseil des éleveurs Nord Tillabéri. Il analyse, euh, il donne son analyse sur la création d'une force multinationale de sécurisation à la suite de la réunion, à la suite de la tenue de la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du gourmand Dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Niger, la direction de la police judiciaire de Niamey procède depuis quelques jours à des interpellations et auditions de certains hauts cadres de l'État et opérateurs économiques impliqués dans diverses affaires de malversation. Une lueur d'espoir pour véritablement lutter contre la corruption. C'est ce qu'estime Maman Wada, secrétaire général de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, la section nigérienne de transparence Internationale. Il est interrogé par Mokhtar Hamadou. Transparency International a publié l'IPC, l'indice de perception de la corruption en 2016. Elle a classé 176 pays et que sur les 176 pays, des pays euh, nordiques les mêmes sont arrivés toujours en tête et les derniers sont des pays comme la Somalie, un pays qui est totalement en guerre où l'État tend à disparaître. Donc euh, pour le classement, euh, le Niger, je dirais, a eu 35 points sur 100. C'est la preuve que la corruption est encore endémique, qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir, qu'il y a beaucoup de mesures à prendre pour prévenir et réprimer la corruption. le Niger est arrivé 101e, mais c'est avec 35 points. L'année passée, il avait 34 points. Le fait qu'il soit à 101e ne veut pas dire qu'il n'a pas connu de progrès. C'est vrai, les progrès sont pratiquement insignifiants, c'est un point de plus, mais il y a quand même un, minimum de progrès. Mais euh, le plus important, c'est d'avoir au moins 50%. C'est en ce moment qu'on peut parler effectivement de, de l'impact de la lutte contre la corruption. Alors, qu'est-ce qui fait que le Niger est 101e alors qu'il était 99e l'année passée C'est que cette année, il y a 8 pays qui se sont ajoutés. Et le fait que des pays s'ajoutent, ça fait que le classement va forcément changer. Mais le plus important, ce n'est pas le rang c'est la note, la note obtenue. La note obtenue euh, dépend justement des études qui ont été menées et de la perception de la corruption par les citoyens dans un pays. Donc voilà euh, ce que je peux dire. Et ce qui justifie qu'il que soit 101e, c'est parce que huit pays ont été classés. Ils ne l'étaient pas l'année passée. Nous savons que beaucoup d'instruments ont été créés depuis 2011 par ce régime. parce que le Niger va avoir une place honorable, mais enfin. Qu'est-ce qui explique cet état de fait Non, je dirais encore, une fois de plus, que ce n'est pas le rang qui nous intéresse, c'est le point obtenu. C'est le plus important. Et le Niger a eu 35 points au lieu de 34 l'année passée. Euh, eh ben, je pense quand même que, avec les institutions, parce que l'impact ne peut pas être immédiat. Donc il y a un temps, un temps d'action, un temps d'impact. Euh, je pense peut-être que si maintenant toutes ces institutions se mettent à l'œuvre, hein, travaillent efficacement, eh bien, il y aura des résultats le fait que la RCA soit, par exemple, pour prendre ce cas-là, qu'elle soit créée par une loi, ça lui donne suffisamment de, poids, suffisamment de pouvoir, n'est-ce pas, pour euh, euh et même euh, euh, pour poursuivre, hein, pour arrêter et ainsi de suite. Donc prendre des mesures beaucoup plus rigoureuses pour réprimer la corruption. Donc c'est de la mise en œuvre de ces institutions-là que le changement va arriver. Mais pour l'instant, le changement n'a pas été euh, significatif. Je dis bien encore que c'est un point, un point, ce n'est pas grand-chose. Est-ce qu'il y a lieu de se réjouir par rapport à ces 35 points moi, je ne sais pas s'il y en a qui se, sont réjouis, mais, mais ce qui est sûr, c'est que en passant de 34 à 35, il y a une évolution. Je pense qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique, fournir d'efforts. Je pense que c'est le mieux comme ça. vous, journalistes, continuez à révéler des faits de corruption, n'est-ce pas Et ceux qui font l'investigation, n'a qu'à continuer à révéler des faits de, corruption. La Alsace n'a qu'à renforcer euh, ces dispositifs, se mettre à l'œuvre. Les ONG, la même chose. Et si les pouvoirs publics qui sont chargés justement de poursuivre et de réprimer, s'ils le font efficacement, on aura un changement. Parce que la lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tous les citoyens. Et si tous les citoyens ne mettent pas la main à la pâte, il n'y a rien à faire. On va rester toujours eh, eh, dans la même situation. Mais en attendant, je dis encore qu'on a passé de 34 points à 35 points. Il y a eu euh, un léger, progrès qui n'est pas très significatif. Évidemment, il faut euh, redoubler d'efforts et c'est le seul euh, travail qui vaille. Depuis un certain temps, il y a eu une vague d'interpellations des citoyens nigériens au niveau de la police judiciaire dans le cadre de la corruption, bien entendu, et des infractions assimilées. Quel commentaire cela suscite en vous Je pense que c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Et il faut que les Nigériens aient la tête froide, comme on dit, en ce sens que celui qui est en situation d'infraction par rapport à la corruption, il doit répondre de ses actes devant la justice. Nous avons, de par les lois, accepté que le juge est le seul gardien des droits et des libertés et en même temps, c'est lui qui peut dire qu'on est en infraction ou on n'est pas en infraction, je pense qu'il faut accepter d'aller dans ce sens-là. Il ne faut pas eh, eh, eh, remettre en scène les sentiments hein, dire bon ben c'est un tel, il est de mon parti, il est de mon village, c'est parce qu'il est ceci et parce qu'il est cela qu'on lui en veut. Non, c'est une infraction pénale. L'individu, on le soupçonne d'avoir fait main basse sur les biens publics, je pense qu'il doit répondre de ses actes. S'il n'est pas coupable, il y a la présomption d'innocence, il sera libéré par la justice. Parce que c'est un principe cardinal au niveau de la justice et un principe cardinal des droits humains la présomption d'innocence. Celui qui n'est pas coupable, il va regagner eh, eh, son foyer. Celui qui est coupable, il doit répondre de ses actes devant la loi et conformément euh, aux lois de la République. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour euh, déclencher ce genre de poursuites contre des citoyens dans le cadre de la lutte contre la corruption Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un travail que nous allons faire nous-mêmes. Et c'est un travail que des générations qui vont venir vont continuer. D'autres générations qui vont venir après elles vont continuer. Il n'y a pas de retard. C'est un travail millénaire. La corruption est aussi vieille que le monde. Hein, voyez-vous. Et pour la combattre, il faut beaucoup de temps. Ce n'est pas une affaire de génération. Ce n'est pas une affaire d'individu, C'est une affaire de tout le monde et sur plusieurs générations. Je pense que nous, nous allons commencer. Ceux qui vont venir après nous vont continuer. S'ils ne continuent pas, ils seront coupables de n'avoir pas posé des actes, n'est-ce pas, pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Ils seront coupables de n'avoir pas lutté pour que le mal s'éloigne Hein, mais nous, nous allons poser des actes pour ça, dans ce sens. On va voir ce qu'on peut faire. De toutes les façons, nous sommes conscients que nous ne pourrons pas arrêter la corruption aujourd'hui, mais les générations montantes seront obligées de prendre le, relais. Et celles qui vont venir après elles vont prendre aussi le relais. Donc c'est une affaire de génération. Euh, je pense que c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de tout le monde beaucoup de citoyens nigériens pensent que cette vague d'interpellation n'est rien d'autre qu'une opposition du règlement des comptes politiques. On ne sait pas exactement ce qu'on veut. Quand on ne lutte pas contre la corruption, les gens disent qu'on ne lutte pas. Quand on arrête leurs parents, ils disent que, ce n'est pas juste. Non, il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent. L'intérêt général est au-dessus des intérêts particuliers. Les biens publics sont sacrés, c'est la conscience qui le dit. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de règles dans ce pays-là, nous ne pourrons pas nous en sortir. Il n'y a pas une société qui fonctionne et qui évolue sans règles, sans lois. Des lois qu'on doit appliquer, des lois qu'on se donne, qu'on doit appliquer. Il faut que chacun fasse l'effort sur lui-même, qu'il se fasse violence, qu'il accepte les choses par la tête et non par le cœur, parce que c'est le contrat social qui est ainsi. Nous devons respecter nos lois et nous devons appliquer nos lois quelle que soit la situation. Beaucoup pensent que le président de la République doit aussi balayer des vents chez lui. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de, super citoyens. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais je pense que l'infraction de l'autre ne peut pas empêcher que celui qui commet une infraction ne soit pas poursuivi. Et mais je pense que tout le monde doit être poursuivi. Et ça, c'est la question de foi. Il faut que chacun accepte. C'est la règle du jeu on joue au football, on ne met pas la main, on, met, joue au pied. Si vous mettez la main, on siffle. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Parce que quelqu'un en difficulté, on, se met, on, mobilise tout le monde, on dit que non, il est de mon village, c'est parce qu'on ne veut pas des gens de mon village, c'est parce qu'on ne veut pas de son groupe ethnique, c'est parce qu'on ne veut pas de lui, de son parti, etc. On cherche toujours des arguments qui ne tiennent pas la route, qui sont des béquilles pour protéger ce genre de choses. Je pense que ce n'est pas raisonnable. La société a besoin des lois et des lois qu'on doit appliquer. Voilà, vous venez de suivre Maman Wada, secrétaire général de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section nigérienne de transparence internationale, et a commenté le classement du Niger selon l'enquête de transparence internationale sur l'indice de perception de la corruption. Il a aussi commenté les interpellations et auditions de quelques hauts cadres de l'État et autres opérateurs économiques impliqués depuis peu dans des diverses affaires de malversation. La suite de ce forum avec le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINACEB, qui n'est pas du tout content. Le SINACEB accuse le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire de s'acharner contre ses militants en opérant des coupures sur leur salaire pour faire des grèves. Je vous propose de suivre les explications du secrétaire général du SINACEB, Moukel Halidou, qui nous fait également le point sur le protocole d'accord signé avec le gouvernement en novembre dernier. Nous accusons euh, le DRH du ministère de l'enseignement primaire parce que euh, lorsque vous avez plus de 60 syndicats qui sont engagés dans un mouvement, d'abord les premières euh, retenues pour faire de grève ont concerné spécifiquement les enseignants contractuels parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que la plupart de ces enseignants contractuels, pour ne pas dire que les enseignants contractuels se trouvent être des militants du SINASEB. Mais la surprise, c'est qu'à la fin du mois de janvier, sur les salaires du mois de janvier, nous avions également remarqué que c'est seulement les membres du bureau exécutif national avec euh, euh, certains responsables euh, des régions qui ont connu des coupures pour faire de grève, en tout cas selon eux, pour faire de grève sur ces salaires-là. Mais il se trouve qu'il ne s'agit pas là de coupures pour faire de grève parce que si c'est des coupures pour faire de grève, d'abord ça doit concerner l'ensemble des organisations en tout cas impliquées, ça doit concerner tous les enseignants qui ont observé en tout cas ces arrêts de travail-là. Mais mieux c'est qu'il faut dire qu'en janvier il n'y a pas eu de mouvement, donc on ne peut pas savoir pourquoi ils vont opérer des coupures à la fin du mois de janvier pour faire de grève. L'autre aspect, c'est que c'est des retenues que nous avons constatées qui vont de 50 000 à 115 000 francs. Dans ces conditions, on ne peut pas nous parler de coupure pour faire de grève. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est un acharnement tel qu'ils ont l'habitude de le faire contre notre organisation, contre le SINASEB et contre ses militants. Et peut-être que dans leur calcul, en faisant en tout cas cette discrimination, cette ségrégation uniquement pour les responsables syndicaux du SINASEB, cela aura un impact sur la coalition ou sur la synergie d'action cause Niger et Sinacep. Nous voulons seulement rappeler que pour nous aujourd'hui, eh, il ne s'agit nullement pas pour des retenues pour faire des grèves, parce que si c'est cela, cela ne va pas nous inquiéter parce que la loi l'a prévu. Mais lorsqu'il s'agit là de cibler des militants du SINASEP pour opérer ou faire ces retenues, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire des grèves, mais pour amputer sur leur salaire eh, des montants allés de 50 à 115 000 francs, on comprend aisément qu'aujourd'hui, euh, euh, le DRH du ministère de l'Enseignement primaire continue dans sa logique, n'est-ce pas, de diversion continue de sa logique d'entretenir cette haine, en tout cas qu'il a toujours développée euh, vis-à-vis de notre organisation et principalement de ses responsables. Nous voulons les rassurer, les camarades, que cela ne va pas nous empêcher de continuer le mouvement, que cela ne va pas avoir un impact sur la coalition que nous avons avec nos amis de cause Niger, même si aujourd'hui la, bête à abattre se trouve être le, le SINASEP, nous allons continuer, nous allons poursuivre ce mouvement-là. Ce qui est évident, je dis bien ce qui est évident, c'est que ce ne sont pas les retenus pour faire de grève. Si c'est pour faire de grève, nous, nous nous n'allons même pas parler par rapport à cette question. Mais lorsque c'est un acharnement, nous interpellons le gouvernement, nous interpellons le DRH qu'ils comprennent que nous connaissons où nous avons aujourd'hui, euh, nous les avons à l'œil et nous savons aujourd'hui ce nous sont en train de développer vis-à-vis de notre organisation, mais également que euh, euh, pour cette question, au niveau du SINASEP, les responsables, nous nous sommes trouvés et nous sommes convaincus d'une chose, c'est que même si on continue pendant des mois à ne pas donner des salaires uniquement aux responsables syndicaux du SINASEP, nous allons continuer ce mouvement-là, qu'ils le comprennent les informations, ces coupures ont été opérées pour le mois d'octobre, un mois pendant lequel le seul était en grève. Je, suis désolé parce qu'aujourd'hui, euh, on dit que la loi ne peut pas être rétroactive dans ces conditions. On ne peut pas opérer des retenues pour faire de grève d'octobre sur les salaires du mois de janvier. Ça n'a même pas de sens. Cela ne s'explique pas. Si on veut bien effectivement réprimer, mais qu'ils nous disent en octobre, il y a eu combien de jours de grève Quel est le, nombre de jours de grève observés par les militants de SINASEB Et pourquoi c'est seulement les responsables syndicaux qui sont concernés par rapport à ces coupures. Cela n'a rien à voir avec le, mouvement d'octobre, je suis désolé. Et si c'est cela, il y a eu un accord qui a été trouvé en décembre. Et de l'accord, il a été dit d'abandonner toutes les charges, en tout cas, par rapport liées à, en cas, à ces mouvements-là. Donc, pour nous, aujourd'hui, il faut comprendre aisément, comme je l'ai dit, que c'est un acharnement contre l'organisation. Dans tous les cas, dans tous les cas, cela n'aura aucun impact sur la poursuite, en tout cas, euh, de ce mouvement-là. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cela Nous allons nous assumer par rapport à ça. S'ils estiment que c'est des retenues pour faire de grève, eh bien allons-y. Revenons à cet accord euh, dites le gouvernement n'est pas en train de respecter ses engagements entièrement. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui ne va pas Mais ce qui ne va pas, c'est que la preuve, ils viennent d'opérer des, euh, des retenues pour faire de grève, ce qui est anormal, ce qui ne fait pas partie des accords que nous avons trouvés, ce qui constitue une violation flagrante de ces accords. L'autre aspect, et ce qui nous a même motivé aujourd'hui à déposer l'ultimatum, c'est que le gouvernement s'était engagé à payer tous les arriérés de pécule des enseignants contractuels et de procéder en tout cas au paiement à terme échu. Je vous apprends donc qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 euh, euh, janvier 2017. Les pécules du mois de décembre 2016 n'ont pas été payées de leur intégralité. Nous avons beaucoup de nos camarades qui se trouvent être dans les institutions de microfinance qui n'ont pas touché à la date d'aujourd'hui les pécules du mois de décembre. Et c'est la faute au gouvernement. Nous avons des camarades qui se trouvent être sur la fameuse liste de la Halicia qui continuent encore à attendre les pécules du mois de novembre, décembre et bientôt janvier. Et ces camarades-là n'ont pas perçu ces pécules-là. Donc pour nous, il s'agit déjà d'une violation manifeste, n'est-ce pas, de ces accords, de ces engagements auxquels le gouvernement avait librement souscrit. C'est des accords qui allaient nous amener à observer une certaine accalmie de le de l'éducation. Mais j'ai dit malheureusement, malheureusement, cela est en train d'être violé par le gouvernement. Je vous informe également que nos camarades du secondaire qui ont eu leur matricule, à qui on a commencé déjà à faire les salaires, se voient être en tout cas euh, suspendus. Euh, les salaires ont été suspendus depuis euh, le mois de, de novembre passé. Ça fait quoi Ça fait pratiquement deux mois aujourd'hui que ces camarades-là n'ont ni salaire, ni pécule et on ne sait pas quelles sont les intentions de ce gouvernement-là. Mais mieux, le gouvernement s'était engagé également à euh, nous faire la simulation par rapport à l'incidence que euh, la grille salariale pourrait avoir sur le budget de l'État du Niger. Très malheureusement, cela n'est pas arrivé alors que dans les conclusions de cet accord, il était prévu de faire cette simulation, de procéder en tout cas à l'élaboration de la grille euh, spécifique des enseignants et de sa mise en, en œuvre. Malheureusement, j'ai dit, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de pouvoir le faire. N'oubliez pas également que nous avons nos camarades à qui on devrait donner les matricules, qui aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Donc pour nous aujourd'hui, après plus d'un mois, n'est-ce pas, de, signature de ces accords, nous constatons que les accords ont été violés par le gouvernement et c'est ce qui nous a amené à reprendre en tout cas euh, la machine ou à remettre la machine en marche à partir de ce matin avec l'ultimatum de 5 jours qui court d'aujourd'hui jusqu'au vendredi. Et si rien n'est fait d'ici vendredi, c'est que sur la semaine prochaine, nous allons déjà entamer avec des mouvements en tout cas et cette fois-ci, nous allons reprendre de la la manière la plus belle. Voilà, vous venez de suivre le secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, le SINASEB, qui accuse le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire de s'acharner contre ses militants en opérant des coupures sur leur salaire pour fait de grève. Voilà, à 18h59 minutes, ici s'achève ce forum de ce lundi. Nous nous retrouvons demain à la même heure et aux mêmes fréquences. Bonsoir à tous.